bac, on le prépare, on le prépare, euh, je fais des cours privés, il y a des exercices, on passe des fois toute la journée, même à l'école, en train de préparer notre bac, on, révise français, anglais, philo, bon, à peu près toutes les matières. On cède, il y a des professeurs aussi, on vient chez eux quand on a des problèmes. on est à fond sur ça. on est en train de réviser notre bac. nous préparons le bac à notre manière tous les soirs, on vient eh, pour des cours d'appui à l'école. Et souvent aussi, la nuit, on se force à réviser.